Oui, on s'attend à, une canne euh, qui va être âprement disputée parce que, voilà, comme tous les cannes, il y a de très très grosses équipes qui veulent la gagner. nous aussi, on est les champions en titre. Mais on va essayer de, de donner le maximum de nous-mêmes pour pouvoir euh, tout faire et essayer de conserver notre titre. Je pense que c'est c'est euh, le but de tout le monde ici, toujours qui est ici, mais notamment aussi le peuple sénégalais, bah, ça me fait rien. C'est juste que c'est une compétition. J'ai déjà joué une canne, donc c'est pas une première. Euh, voilà, on est, on, est, on est prêt, on se prépare. On est en train de faire euh, le travail qu'il faut pour pouvoir être prêt en, Côte d'Ivoire. Oui, notamment c'est dire que euh, ça va pas être des matchs faciles parce qu'on est en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de, de petite équipe. C'est à nous de prendre les matchs euh, au sérieux, que ce soit la Gambie, la Guinée ou le Cameroun. Si on ne veut pas être surpris, on, doit faire le travail dès le début. Je pense que en Afrique, si tu t'endors un peu, tu auras des difficultés. Et tout le monde le sait. Donc on va, on va se préparer comme il faut et essayer de, de maximiser euh, tout ce qu'on a et le mettre sur ces, sur ces trois matchs-là. waaw kan vous mettez rek parce que euh, kan moom musul yomb kan yu ñu mus yu ñu mus a joué yëpp dafa di ay kan yu métti mais ñu ngi préparé euh, di waajal lu bëree bëree bëree bëree parce que équipe yi dinañu xaar mais ñun aussi war nañu pare surtout pour ñun suñu bopp parce que lu gën a Moi, importance focaliser aussi si équipe mais ñun li ñu def donc loolu moi, le plus lu lu ëpp solo. adversaire yëpp ay équipe équipes yu baax ah. malgré que Cameroun gagné nañ ko jot nañu joué ak moom gagné ko Guinée je pense la euh, Coupe d'Afrique passée joué nañu aussi ñu gagné ko mais ñëpp gisoon nañ ni match bu métti la donc euh, en tout cas pour pour ñu gën si daal il va falloir que ñu def lépp lépp lépp lépp lu ñu am. ci ñetti match yi nii pour pouvoir euh, ñu mën a qualifier wu.